quotidien d'aujourd'hui, 30 juin 2023. 30 juin 2023. Jérémie 27, nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Thème, nommé par Dieu. Nommé par Dieu, choisi par Dieu. Jérémie 27. Prions, Père, nous te remercions, te aujourd'hui, parce que nous savons que Seigneur, tu nous aimes. Et tu, Seigneur, nous sommes choisis pour te servir. Aide-nous, Seigneur, à te faire, Seigneur, cette sélection, ce choix des valeurs au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jérémie chapitre 27 avec du verset 1. Au commencement du règne de mon fils de Josiah, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a part l'Éternel, fais-toi des liens et des juges, mets-les sur ton cou. Envoie-la au roi de Don, au roi de Moab, au roi des enfants d'Amnon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécia, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui les ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Et par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux les champs, pour qu'il lui soit assujetti Toutes les nations le seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Et que les nations puissantes et de grands rois la Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtirai cette nation par les paix et par la famine et par les pestes, de l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos divins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point assujettis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise enfin que vous soyez éloignés de votre pays, enfin que je vous sache et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Notre verset clé, c'est le verset 7. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Nous parlons de quoi Choisi par Dieu ou bien nommé par Dieu. Nommé par Dieu, choisi par Dieu. Le rêve de Nabucodonosor Interprété par le prophète Daniel montrait le royaume dominant du monde de Babylone aux empires romains. Le fait que tout se réalise montre littéralement que Jéhovah est en effet le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et le révélateur des secrets. Il a également parlé d'un autre royaume qui brise en morceaux et divorce tous ces royaumes et il subsistera à jamais. Ce royaume est le royaume éternel de Christ auquel tous les royaumes, bien tous les croyants appartiennent aujourd'hui. Notre passage d'aujourd'hui est une institution, est une instruction à Jérusalem, euh, à Jérémie pour fabriquer des jougs et de les envoyer au roi de nations environnantes. C'est-à-dire ces royaumes, ou bien ces royaumes, ces nations qui entourent, entourantes étaient le royaume de Moab, de Dom et d'Amnon et d'autres, pour gouverner toutes les nations ainsi que son fils et son petit-fils. Il a déclaré qu'il a fait la terre et tout ce qu'il, ou bien tout ce qu'elle contient, et qu'il la donne à qui il veut le verset 5 de de Quiconque ne se soumettra pas à ce roi sera puni par Dieu. Jéhovah est le seul vrai Dieu qui annonce la fin dès le commencement. Quel grand privilège d'être un enfant de ce grand Dieu. Quel grand privilège d'avoir son livre, c'est-à-dire la Bible, et à travers lequel il a révélé ses attributs d'amour de sainteté, de miséricorde, d'omnipotence, d'omniscience, d'omniprésence et même de fidélité de l'homme. Il n'y a rien qu'il dise ou fasse qui soit une réflexion après coup. Il sait ce qu'il adviendra de tous ceux qui lui craignent. Alors qu'est-ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu Seulement adorons-lui, car il est notre Dieu. Gloire à Dieu. Dieu règne sur nous les affaires. Amen. Pensez du jour. Dieu règne sur les affaires des hommes. Dieu règne sur les affaires des hommes. La Bible en un nom. Malachie chapitre 1, jusqu'au chapitre 4. Malachie chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Amen. Prions. Père, merci pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous savons que Seigneur, nous sommes en toi. Et tout ce que tu demandes, Seigneur, tu le fais toujours. Seigneur, guide-nous et aide-nous, Seigneur, à faire tout ce que tu veux. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.